Bonsoir à tous, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 11 janvier 2024. Il est 11h et vous êtes en direct pour suivre l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Kaito Draman avec moi Samira Amadou Bonjour Samira, en forme ce matin Oui, tout va bien et de ton côté Ça va très bien. Un coucou pour ceux de la régie à Adamadawati qui assure l'édition et à Seine Isaka la technique. Aujourd'hui, nous débutons. En tête de liste, il y aura le flash d'information, de la musique à 100% nigérienne, la revue de presse du sport, L'écho des régions nous amène aujourd'hui à Tilabiri à la découverte du métier de forgeron. Notre invité du jour est un entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel. Il s'appelle Abdelaziz Garba Ilou. Il est réalisateur, producteur et infographiste. Restez attentifs, chers auditeurs. C'est parti pour 60 minutes d'information et de divertissement. Tout de suite, voici le flash avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Rokeya, bonjour Samira. Le flash d'information à présent. Des personnes tenteraient d'échapper aux actions de lutte contre la corruption le gouvernement nigérien, dans un communiqué publié mercredi, demande aux personnes impliquées dans les malversations financières d'arrêter leurs manœuvres tendant à dissimuler des preuves. Le ministre d'État de l'Intérieur et le ministre de la Justice avertissent les auteurs que ces pratiques constituent des infractions à la loi pénale et le gouvernement de transition reste déterminé à combattre euh, sur toutes leurs formes euh, tous les actes de malversation et détournement euh, pour faire rentrer l'État du Niger dans ses droits. Rencontre hier entre le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou et les opérateurs de téléphonie mobile du Niger. Le ministre les invite à s'acquitter de l'une de leurs obligations principales inscrites dans leur cahier de charge, à savoir la qualité de service de communication électronique. Deux comités directeurs de l'Union des scolaires nigériens ont été dissous, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur. Il s'agit des deux comités issus des congrès de Niamey et d'Ottawa. En lieu et place, un comité ad hoc de sortie de crise a été mis en place composé d'un représentant des sections universitaires, d'un représentant des sections collèges et lycées, d'un représentant des sections écoles professionnelles et enfin d'un représentant des sections extérieures. Ce comité dispose de 21 jours à compter de la date de signature de l'arrêté pour convoquer un congrès extraordinaire en vue de lire un bureau consensuel du comité directeur, à préciser la même source. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce vendredi 12 janvier 2024. Merci Mokhtar. Fidèles auditeurs, je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes avec un entrepreneur du monde de l'audiovisuel. Il est producteur, réalisateur et infographiste. Abdelaziz Garba Ilou, Matarango. Ben, Matarango. fond de fond de plutôt de 40, il écoutons e e d'abord le titre à la nigérienne du collectif 227 Concept. On vous laisse kiffer. Ya

composé de plusieurs artistes nigériens fait vibrer les mélomanes du hip-hop, de la musique tradie moderne et du rap. Exactement. Et le plus surprenant, c'est que chacun d'eux n'a pas quitté sa formation musicale d'origine pour intégrer le concept. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Le concept, c'était l'idée de Lewis Kennedy, de Chop avec lui, dont Julius, Majek Tissoul et Zaba de MDM Crew, Mr. Abson et bien d'autres. C'était à la nigérienne de 227 concepts. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en direct à travers nos radios partenaires et sur notre site www.studiokalangou.org. Après cette pause musicale, retour au studio avec notre invité du jour. Pour rappel, il s'appelle Abdelaziz Garba Ilou. Il est entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel. Il est réalisateur, producteur et infographiste. irga ya karan dohare hare abdulaziz irga tamha kan aran gwargwabori bori ah, niger sur kalangu eh, sigirora to a borde no ya aran hinga fahaman di ga bangan di yir hangan kai sai mai nota abdulaziz garba illu to ai dai kan gosalan aran sai ai mamma kala abdulaziz garba illu matkarin na kida furtaji kan gonga bongorera agoga keki eh, agon kan bagoyen tegin ga menwar keki dan matkarin na kida Aymanti Kala, producteur, réalisateur, da infographiste. Danga, film contenu yang réalisé, photo communication, danga mm-hmm. Voilà. to madalla irga be kan goye wo kul ka kan gote har yano kan gitar complete kan wani domain wa ga zama affiche film site da infographie sino mm, mm, mm. to matuno goye wo kul te te kana ran se ko na ran go gidan cara wallahi goyo matkaran ki dano yo dele de bi ay site kala casetinarian discotheque donc za zaburte casetinarian ganda wone isimori kere mm-hmm. to wadi neno ne ara ofira mesure casetolo ko ban gobar bar aigo kamera buga filme higeyen cabayen mosom suza stay bon se montage ai koy banno studio fora kalon kuna vraiment ai gonda ai kul material ai kul ka himanda ai kitai bon se montage hala bore kayan koy te filmage kande do mtai se montage da mm. clip video yang ai wona kuler yete donc mm. voilà ma to kango ayte furara dayno ay sintino para kasetinere yan o fira et à kamera qu'elle a une caméra sambu qu'elle a des ordinateurs ay sintin tay bon se hmm. montage mm. so ay tay bon se montage mo somso kala di production o moyr furara mm. aran ne aran na kamera sombu mm. aran ta infografi yan mm. da hankan gihi mai yadin mm. iri bayarin bai mata na aran dondon wallahi wo za sintina kamera sambu sintina ay mana dondon mm. Eh, irwan kurara na gwani borfo kan gati to mhm. wadin anan kane si don ay kan kam kamera dai ay dai aiko ko gagisi parce que eh, bai ku sai bayara isin gaino kontara mm. don kai koi ai gogor hanfo kalboradin kai ci a gogi ke bai fo filme a diya yi borera mil hal deja ai gogo ai wani kai dai din ai wanno mm -hmm. ane kai na kairin mamaika ne wala so ke ba wani fatiya te a isi baka nima ko kai sai empêchement fo ne du kanga hayo ay kai siwu ay sidu gina se suani a ke sai se nenon gina ne zamin ni kamera man ta fo nenon gina nenon gina ni kamera ta ay ni ba kul banan ge in garfu zaro rai konda se kamera an gunyan video ay gunane kai ne ne ane ni ni ani wani ndai ay ne abon ane wallahi ane no noru ane tem ko te montage no dimmo ay man na se ay suwa ay sibainan ki ko montage ti mm-hmm. so kai fatta ay la sabu kai te discotheque din Mm-hmm. bor fogon kan do ga koy ga te cd selection hem kwanda cd vierge im te se music selection direct en ha telephone ali te video wadi mo montage no anen ga goy bumbo no wadi mm-hmm. ayne to se bon mm-hmm. direct e ko en montage te kanda au fur et à mesure ane to ay goyenga se wat kulungu asiba ba go masha Allah wone e ya zumanji mi o me wono go <laughs> bisi en même temps da du goyengo se ko go aga kena amne mka ko gati mm. ay mko mgo ta se amino kena wone montage no rono wone wono no am ga wani ya di ablaziz ir bai kan agan na film yang ya lize maze aventura bugu yan laila walmo cha basi maka dadi hmm. iga wo fono ci wankan ga agan dusan dai gumo walmo wankan kana gan binasi to dai wasu gyan zama film ne afo kunno halai ga ban film kan realisation handu fora na borkai gin bonte bonni gengate afo kunno hin di dai giri ki hinza zam har no kam man finan samani go gate da mhm. ai dai no kai zibara ai mborake ai mne ka irin koi irin koi tunaj han fo mota karai koi no ke san soda mhm. ai no bora kir karandi mhm. no film fo ai ni te dai no hay kunne man dura sai vira fo ngon kan wato kai ni te sai dai yayi gono sai da no ai ai ai mbono koi bon sai lo men sai dai kare kanya mai ai so bai gine ran discote koi sai wadin a done kai na fo wadin sina sai kala ke ke ba si wakar dadi men na wani yankan kindi afa o youtube da yanayin da kai kunna man duwara paske lalle lokacin na te irci wani mhm. irgo da don don ba so mo irgo don don me vraiment c'est pas présentable film yanno kir konde ha télé yanga ni mi da gidi kan vraiment image yi c'est pas ça mhm. mais film o kan no succès kan nan bore ne bai dai yi mo makani ai be kan film ne te ngati aventure ambigu de sadi an mhm. film no kan dira way zai bon kan ago kauye a chau ido e, e, e, sinde lise do lam ka gallu mhm. a ka gallu bora kan kwara zummo an maltraité mhm. kala to nan ka do alaji kyoro alaji arosa rosu alaji onin ga higi wai bora kan kwara zumbu ne a ke cigawi mhm. ka ce cigawi ma gondi zuwai kan ago ga zuwai in kana se tagbiri zo nganda wo kan abun boyi zano so an boriyan sambim tagbiri zo wi filan ka ko dai si salad kalera ago ko salado dai izu gunda kubanda nan go koy sadi wallahi ma mannon nem koy salat dai wallahi mo sonda ay livre fo kay han filan ga nem kata est ce que mantini no ko ga si an noro no borose banje na izu gunda wi sago kan abon hmm. ya kan abon ni kasu boro ala jo kaga abla izu fa kare wasi ban fa asiban mera ban to bala ay gudunguri andi kay na fo nga no ay te projection vraiment lo ay te ir kurara gudal hmm. ah ay duwara paske bore kaga tuwa ke ngose wode kanda kantara ir ga hangar revue de presse c'est après yeka aranga fidèles auditeurs nous sommes avec Rafika Taher pour la revue de presse bonjour Rafika bonjour Rukaya comment tu vas ça va très bien alors, euh, libération provisoire de Salem Bazoum, un premier geste d'apaisement de Niamey dans le cadre des négociations avec la CDAO, titre le site d'information Actu Niger dans un article du 9 janvier 2024. Effectivement, Rukaya, le tribunal militaire de Niamey a accordé lundi 8 janvier la liberté provisoire de Salem Bazoum, le fils de l'ancien président détenu depuis le 26 juillet dernier avec ses parents à la résidence présidentielle et qui est sous le coup d'une inculpation pour complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État. Cette liberté a été obtenue grâce à la médiation du Togo, pays désigné médiateur avec la à Léon par les chefs d'État de la CILIAO e dans le cadre de la recherche d'une solution négociée à la situation politique au Niger. Dans un communiqué, la présidence togolaise a salué cette libération à titre humanitaire selon Actu Niger des personnes tentent d'échapper aux actions de lutte contre la corruption selon l'agence nigérienne de presse. Eh bien, le gouvernement nigérien a dans un communiqué publié mercredi demandé aux personnes impliquées dans les malversations financières d'arrêter leurs manœuvres dolosives tendant à dissimuler les preuves de leur forfaiture. Selon ce communiqué publié conjointement avec le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, des personnes tentent d'échapper aux actions de lutte contre la corruption. Le ministre d'État de l'Intérieur et le ministre de la Justice avertissent à travers ce communiqué que les auteurs de ces pratiques qui constituent au demeurant des infractions à la loi pénale ainsi que leurs co-auteurs et complices, que le CNSP et le gouvernement de transition restent déterminés à combattre sur toutes leurs formes tous les actions de malversation et détournement pour faire entrer l'État du Niger dans tous ses droits en attirant aussi l'attention de tous les opérateurs libéraux intervenant dans les transactions immobilières dont certains sont astreints au serment intermédiaire, par exemple agent d'affaires ou notaire pour leurs responsabilités professionnelles Personnel et pénal dans de telles pratiques avec, entre autres, le bon sens de la traçabilité des biens publics et la justice sociale. Poursuivons cette revue efficace zoom sur le forum du dialogue national édition du lundi 8 janvier 2024 du journal canard en furie. Oui, en effet, le président du CNSP, le général de brigade Abdramantiani, a pris son solennellement l'engagement d'organiser un forum sur le dialogue national des assises importantes, car chargé d'élaborer la principale feuille de route de la transition politique en cours. Comme annoncé, c'est ce forum qui fixera la durée de la période de la transition, entre autres grandes orientations. Mais en même temps, ce forum se veut celui du dialogue national. Ce forum sera aussi en quelque sorte une tribune représentative pour rectifier beaucoup de ratés ou de fautes passées posées par d'acteurs politiques qui pourraient être partie prenante de ces assises. Voilà pour cette revue de presse. Merci, cette Rafika. Il est 11h passé de 19 minutes. Fidèles auditeurs, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou et nous allons entamer la deuxième partie de notre discussion avec l'invité Abdelaziz Garba Illou. Il est entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel to quand uh, kan yik sintin fa kare agan faman dit se kan um, difficulté en gara surtout quand son manti se de har kanu bogai ga da youtube no walmo imce cikte projection de moment bo kuno gudu dama wal kan sagan bayno bo kan sagan bay sin ko je veux savoir si ce métier est vraiment rentable oui oui mais tagano oui c'est c'est rentable oui c'est ah, rentable à quel point Bon, <laughs> bon, par exemple, si tu arrives à manger, c'est déjà bon. Mmh. tu as dit. <laughs> oui, c'est mm. ça. irin bayirin bai halaran gwanda boryan kan ga diyaran saran gwaira karan ga aran ga bana effectivement ay gonda boryan ay gonda ileman gucin kan gogo bande mm -hmm. kan jere ke goyne mi bana gyara mo istaji no ika mhm. ika ga don don bande e eh, matna aran gorkina gogo te wala problem <laughs> ko sino kadai bere yi bala -hmm. Eh, inda go fam de kere to madalla sanda sandai fodum yon kan gogudu aga mon goyo ga sandi yan waga to sanda da giti a fo dai eh, irgon mank de mo manka de mo danga goigina sku bai se borgo ni gwani go han foyan ni singa haya ko te zam goigina sku bai mm. sandai kanta kiliyan ai dabora han fon dabor goyi se ni woni gi lokcho no ko goyi me da ban ban do ka te sanni ni da bora gamra mm-hmm. din ha sori fo hinka aga futin se nin da ga yangi asiye tagin no goy koyne aga ne mm-hmm. ni manti boranno alors que ni o zasin tina ni nane bora ga ni goyase han fon bora si ba avance no kan ni goyase maintenant mm-hmm. din ban an fo iro gonda za album bo atiki ga album be inte ir gonda giri hakko hakko album be kan go gisir se on kuna ari ge do e ge foto ge ga iman ka gi sammu wala aran no danga o oh, ge gere o ba fai yar ga bayar baya abdulaziz Ilu. ifo na ranga bonu a rangwayem du kwai da gini wala goy gine de nor ga bon da borai ma na na irga im ka gin no goyo parce que dimman goy da bora ni si bay mata no bora goda iro hmm. iro objectif o de ti da bora ka do in da bora ir musiyange bora do do iri slogan on bo dinu de ngi ti dingo irse il faut que ni mi yegir kegene vraiment ni maka ni goti mm. Mm. iro wadi no iri slogan gombo bonno kanel ah, ok aran gonda sanni ze karin tonen di ir hangan kai se wal mo furta ke kan goro isi goy kulti ir hangan kai da furta ke ayo ay kan go sal ngaren se yo borno kan ay gingane kan ay si chômage bay. Mhm. ay si chômage bay ti zai go zanka kan ir er wangilo kolo za premiere ga ka hunkuna isi bai wata kai gogor dai fadara ya kino de lankan aisa aisi wadin bai mhm. vala donc uh, aisin tinno da garage garage banda ai ko yamma gike yamma gike banda ye kai te video wadin banda ye e, discotheque wadin banno ofira mai zirin kunai kado e kan ba entreprise mhm. kan aran bai ma garan ne ke hunkuno mhm. safdirka ya dinga lokaci bora sai sun kan gasara ko ne irgo lokaci da kan Eh, hino barmai donc irne irsi ba nasare ya dinga dole no kai irin tungi ke bebuwar nasare mo se kare goy mhm, mhm, mhm. ya dinga bore mutungin ga te bala merci vraiment d'être venu chers auditeurs nous allons marquer une courte pause pour permettre à notre invité de se retirer et on revient juste après avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est la rubrique hebdomadaire. Les femmes s'intéressent de nos jours de plus en plus au petit commerce pour être indépendantes financièrement. Et eh oui, parmi elles, Salamoto Adam Moussona, une habitante de Zender. Elle est spécialisée dans la vente de glace, de jus naturel et de yaourt fait maison. Elle nous dit, elle nous, elle nous en dit plus au micro de Aminata Boubaka. lem kai ne aiga te yawur alhamdulillahi rabbil alamin ai go duniyar ndi zama ai kulno irgo te ara irnir koy sabu ai sin ka gor gane ai ne wat kul imeino a la bar mu tuga ce tinga sai ine isa gaba a gaba tontani ai zai goga diye sai ai an zira go te sai ai habo mu ne alhamdulillah sina matsal kulu ko kuma albarka da nai zan kai miya mira ai al miya lo kul sandai yan na han go gudu ne han dora matsal guda ne ga ifo irwo nijilak dai da irse nuro kan irwo irsin gaba gaba na zama neran do son ni no neran sinu kuma neran do ba bara kul neran da fallaka da mono irgoti gudin sinu da makeno ne irsine no irgati ne je son gina yake da warawa ga cada sikuru abin da sanni sinu kai irgo ga dangara son yi eh, denu ga cara son da ya kulka ka dogo ne alhamdulillah wallahi irdir ko sab alhamdulillah kuna yi te ne rundowa wa kai ko alhamdulillahi wallahi na rabbil alamin kom di ir kulse to madalla ke yin fona hangu to nan di aran kelwai borai do kan yan siga hay si. ke yi wadai ka gite ya islama ne zai wa borai se kuna kan yan sinu bar kulmutum mutum gace ci zam kan yan saborno kagor windira sabar mu bokul ci irko manu ne rundo albarka zam din kai ne ga ne borfo aino in kuna dani no suba asini kai dani no mo kuma hallo kuma hanfo a ganin sai haya wasin gase sarmaino ne ngai sandira ngware gudu hayuno mo sokon ngware ga yani ga bor mu kai gabon ga gace cin gabon si irkun borno o irkun fanda albert sir kul sir kun ka dilla bo sai lakal kanin da men ware da dogonai da ga hamba ni kirga ware irkun dinga ga president yoki idake irko talban to ma muradu ferirse matka gote irko dem ka tase da gone irkul se irko ka tirse da ga daga an ba dalomar kuku alhamdulillah rabbil alamin Merci Aminata Boubakar pour ces précisions. Samari Yanzou de la diva Hadiza Mangou est le prochain titre que je vous propose d'écouter. Marie en euh, Hausa qui veut dire les jeunes d'aujourd'hui en français, Hadiza relate la réalité des relations amoureuses des couples très souvent brisés par les jeunes toujours à la recherche de la nouveauté. Les cœurs brisés des jeunes filles, les fausses promesses, ce n'est pas que de notre temps. Cela se faisait bien avant, ma très chère, comme Hadiza a su bien le décrire dans cette chanson. on passe à la rubrique Écho des régions qui nous amène à Tilabiri Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail d'un forgeron. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les forgerons appartiennent à une classe sociale en Afrique. Et oui, euh, c'est un métier. Euh, il ils travaillent déjà euh, de père en fils, ça sérite. Ils travaillent aussi le fer et sont également des grands guérisseurs traditionnels. Ablaziza Hassoumi est allé à la rencontre de Idrissa Oumarou, jeune forgeron à Tilabiri. grâce au ifoguta goyo grâce a goyo goy hinkuno grâce yangon kurni goyda grâce mo gon kan gurdeni goyda amma zam cire zam den ya cine zam no goydu guru o iri wo zam yanno guru no ri goyda mat kan ri ba ngno iri ga teda hay kul kan cina himin da kan ba kata kan guru no ri be han kri teda dubu aga ba dangu kumbu ri ga tase am koyngal fetera ter kala ga naga ba irga te am koyduma de sari no naga ba nam dan yeje ga koygnu faro tunendi namdu man goyo kani irga tense iro mat kayr go irgo te dano a guru kul kan de no di ban ka ta irga hina dan jimo mat kul kay cinan bo tondar bo ka ta irga fun sase o irgo no a yadin ga manti gur komban yan hinna no gitara goy aranga hankanga ti yan waldangi ton yan mo safar woni yan kulligite Ɔ oh, irigi mara yan safar dang da halde gulo non ba mara ya cini wala danyi non ba ton ya yakine irgi safa iri stur dang iri sawa mechi indeno o oh, iri sin tur krigin rim dam ba sa kine ba mayo sanno deno kanga dun kayo ga guruwo ne wo kan nugo goy kan dai ni seno wala a'a ni no kogi dai ni monse wato dubo de guru mu kwara ni ko dai sambu no ba sun hay kulu dun goy ni duga non kumbe nin kalme kan farmo teda amma hun kunnan kulka india kaɗan ni koyi zamani o kan ya, ka furnuwa amma wato di farangai da irsi buwa ha nori kumbizi nur kalmizi nur irsina ha duba far rau boring nori da ng far kabon bo ko hinki hin na gara sa ta tawone amma hun kun bakin da hinyi bo ka karig na ambana du guri fono indi ba kwa nung na alma yina gane ne ernas ya cin na bore go go tera aran wani goyi gine kan aran goyi da wufu ta goyi gine ba gine ba gine kan di si aran sai goyo su bo sintinare mi da sorbon am tebura kan bai bori ni ya gubori bori tara gubori bori ni cire kai ni gun fara zirin da i bori haikul kan kin ba ka tan da dir ko yadda agte o amma haye wa hali si bor sewo kurbose garasai watidin garasai no igite kan hunkuna garasai manduwa isigate agogda wato garasai afo igondo ngware igma charse moda ngo wone in haya kursarirbo afo irsi igsa ir kai wona kan inni nomori ya gatan koine wadin seno fonde ni ngemo go zabir seken e ifo gitiche kan ngitege koy hunkun furta je ga kanyan na kambugoy woni dimidi wala fursa jey ma hawdan zam woni hadna nga ten sken hawoni foy hare no murare mo ndeng hen gite bor bayi no mo fur galo kan sin bana kaden si goy Merci Abdulaziz Assoumi pour ce beau reportage. Un clin d'œil à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur la radio Bani au 94.5 MHz. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Restons Restons dans la région de Tilaberi, cette fois-ci cap sur Terra. Nous allons à la découverte de Halimanyandou qui vit dans cette ville avec sa famille. Comme activité génératrice de revenus, elle transforme l'arachide en pâte et en huile. C'est un métier qu'elle exerce depuis plus de 35 ans. On écoute. Halimanyandou vit à Terra avec sa famille. Comme activité génératrice de revenus, elle transforme l'arachide en pâte et C'est un métier qu'elle a commencé depuis plus de 35 ans. amma kai ka ai fuwora si kate kala hausan ke foyan kane dini bar koy dok fa karai di gogo kurba ir gono di na kayir giga wani na kala ai ka kai humburo dai ai ne damso dai hala to nan kan aiwo damsi sakora mun bai gudu jiida ngi litiri yagga yon wali wai ay wo sako ra gudu wai kin hinka ay ganda boriyan sa jora ay musambi do an ne zambar hizu zam ka tese déjà jiyo zan ka bore ne jiyo wo sto ganda Grâce au commerce de l'huile et la pâte d'arachide, Madame Halima Nyandou épaule son mari pour entretenir la famille en participant aux dépenses de sa famille. Wallahi ate haykulu zama bonna haykutara borzan kai ni tunandira ni koy buci hay kul kai kini sen su koy borfo bon kai kine amini garaw ni ganda hannin fo garaw bumbo ay gor kalmane yan gayi akul dam sorana di buci kay mite di hije ka fami yore fure hige te ifo kotkita sen woni fo ne zambar hinkin ko wo fami yore ay gara me dangere krasiyan wo aigno dal bora sinda kulegno damsi aganda nga haydin gwana l'époux de Halima El kel Yakuba apprécie le soutien de sa femme. Il ne cesse de l'apprécier et l'encourager à persévérer. bakate zamotoka fitini wa sako zibisi zambaringa amma an kuna mese no ga sako ko hal zambarin zin zam bulu inda ga mola sin problem ba da sinda da lay ba ne sako noro kuno don kanas gun hojine saka hojina ka danga hamno ro hinne gno amma kan na ho imhote jiyo ka ga hewla ngana ka azan kai a bankare dai le kor ko de création dangani kul ga kine dene kiri wote chen gorgo kan ben kuwana ho musa bandone sapun wona fo dini fo kulu ase shehanda wallahi ago kata sedo bane zama hale bumbo sinda ai bumbo har da duno dan ngar geje se bane do manse ba zambar ma yule gir ta ga de wat ke bane do ke mieta enfin Halima Nyandou lance un appel à l'endroit des femmes à valoriser les travaux manuels et à ne pas rester les bras croisés kambugo wo aga kande no han suwani haikula manten sente bebe suwani haikul ba haifo kan gan subai kulkan nigiti ah ngiseno uh, kambugoi wa musafuru na mai man himi ngi in bisabumbo amai wo wondo reg be kan baibu wallahi kai ngon kan gwana a ganda mo na fafa zama haikul kan suna nim fatta tare ko kane barfo sai garau kunnir ko isabu din tun mo ni samba sai ni nyi sai ni samba makan ni ba kulu dam su jodi barkara ni ganda nur kan samba seul le travail paye estime Halima car il nous met à l'abri du besoin Chers auditeurs et auditrices euh, du Niger sur Kalangu, place à présent à la page sport. Nous sommes avec Hassoumi Gourouza sur dans cette place. Bonjour Asumi, tu vas bien Samira, bonjour. Euh, Ruki, bonjour. Bonjour Guruza. Alors nous allons à la découverte d'un grand lutteur, Zakiru Zakari de Tawa, n'est-ce pas Oui, il est né à Kankilawa. Kankilawa, c'est dans la commune de Bombay, à Tawa. Il a fréquenté jusqu'en 6e, mais c'est en 2018 euh, qu'il a embrassé la lutte, euh, mais actuellement, il fait partie des lutteurs nigériens les plus en vue. Adam Yerima a rencontré Zachary, Zachary du Tawa lors de la 44e édition de la lutte traditionnelle à Agadez. Écoutons-le. a aihe ni wani ƙauye ana ce mishi kancilawa cikin kominikin bambayi region kintawa bon na frequente amma ban tai nesa ba bakin cesium ne frequente na inda ya tsaya lokacin har shiga ta shina 2018 lokacin da ya yi perdin takobi gaban tasu isa ni zanda lokacin ne har shiga ta me lokacin da shiga bai tunanin ma zan yi kokowa ba irwa gama na zo wani ƙauye ne kokowa sai aka ga kokowa ta da aka ga kokowa ta sai aka kira Alhaji Kadadi aka gaya mishi aka ce an ga kokowa wani matashi vraiment ya yi kokowa da aka gaya mishi sai ran ina zamne gida sai ni shi kiran shi ya ayi mai zance na kuma ya ce washe gari yana sai ya gani ta wani ce mishi babu matsala washe gari kuma ni to ni zo ni sami shi tawa ni zaka ya ce min to wani mai eliminator ta tashi kuma sai ni tsaya tawa kokowa dai ni gare ni ba tsaye tsaye ta ba abinda aka kokowa shi na isfor isfor kenan in kana yin shi ko da wani lokaci kana an form kai isfor kuma wani abu wani shaye shaye ka iya kiyaye makan kasu wani biyan mata wannan ka iya kiyaye makan kashi ka sa kanka cikin condition na kware ka rinka antarnima wannan kama kamawa ko ce iri ayi min abinda ya rage shi na ni ne ya rage in be sifartar kenan Parlons football, euh, surtout de la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter demain samedi en Côte d'Ivoire. Mais là, nous allons évoquer les entraîneurs locaux, sacrés champions d'Afrique depuis 1957. Oui, Samira, euh, nous allons commencer avec euh, l'Algérie, avec Abdelhamid et Kermali qui a remporté la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations en 1990 et de Kamel Belmadi en 2019. Le Ghana a remporté quatre fois le titre continental avec un entraîneur local, d'abord avec Echal Koumi, hein, qui a remporté trois fois la Coupe des Nations en 1963, 1965, et 1982. Puis, en 1990, c'est l'entraîneur Fred Ossan Oudou euh, qui a en tout cas remporté cette coupe. L'Égypte compte trois sélectionneurs qui ont remporté la Cannes. D'abord, il y a Mourad euh, Fami, Mohamed El euh, Guaria et Hassan Shishita. Lui, il fut l'auteur de trois triplés en 2006, 2008 et 2010. Le Congo avec Adolphe Bimba Zoulou en 1992, le Nigeria avec euh, le feu Stéphane Kishi. Stéphane Kishi fut un grand joueur du Nigeria de la sélection. En 2013, il a remporté également la Coupe. Et maintenant, c'est le Sénégal avec Aléon Sissé euh, en 2021 qui a remporté la Cannes avec les Lions du Sénégal. Voilà, en quelque sorte euh, les pays où les sélectionneurs nationaux ont remporté le sacre continental et que je viens de vous euh, citer, car on mhm. sait très bien, il y a beaucoup de pays qui font appel à des techniciens étrangers pour conduire leur sélection à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Ruki eh Samira, le continent va vibrer durant un mois. Exactement, au rythme, exactement. Au rythme du bilan. Hein. Exactement, le temps est contre nous. Et oui, nous allons nous détendre en musique. Vous oh, pouvez rester avec nous et c'est le son Weekend en Boubou, un feat entre MDM Crew et Albi. Ah, voilà. MDM Crew, non fun boy, hein? Yeah! Everybody, everybody, everybody, everybody. Ah, c'est quoi le plan? du soirée de qualité. J'ai enfilé mon joli boubou, boubou. Les petits filles ont validé. Champagne, whisky à côté. Les sapins m'ont dit bien habillé. Patron, changement de pied. Regardez la danse équilibrée. Ah ouais. Famille, ce soir tout le monde compte son que les dans le lot. On fait les bons, des fois je passe par les nos suivants ta go. Hum. Boubou, swagué, broderie, on est en bouche saoulée. Bonnet, cornet, bonnet, stylé, sapé. Ah, c'est sans armée, On va s'amuser toute la soirée. Que ce soit dans les clubs ou les cabarets. C'est le week-end à Boubou, faut Ah, il faut t'appliquer. La danse de Boubou est valide. So easy, y'a plus rien de compliqué. Fais claquer ton Poupou, je le valide. Oh, ah. Everybody. réalisé avec Albi. Notre émission tire à sa fin, mais avant, c'est l'heure du loti, n'est-ce pas Samira Exactement, dans la rubrique loti de ce jour, nous abordons la question de maltraitance des enfants. Découvrons-le ensemble. Hey menene na kara aiki ina iya in je kin kare wankin eh na yi wanke kwanonin wa na yi duka mamma to kin yi shinhuda na yi naku mamma sha biyu na dare me kike jira ki je ki yi shinhudar yayun naki mamman yiwa nike ji na yi su daga baya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma Allah ya sa kar kishin waɗannan na ƴan uwanki ke balkisa hmm? ya kina ni nike miki magana kuma kina mini kina zumbuɗo mini baki a'a ba haka ba ne ba ma sai kin yi shin waɗannan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da dare ne sai dai ki mutu da yunwa ku yi hankuri mamma mamma menene ana ta cuwa-cuwa haka? Eh, yar leleta, mun tada ku ko? To ku ku huta ku, yanzu an yi muku shinwuɗa ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. Dalilinki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. Mama da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. Wane ne ke kira na yanzu haka? Ah, salamu alaikum. Ya ne kawa? Kin iso? Ah, to, yayi kyau, ina jiran ku. Ke Balkisa, Na'am mama. Zo ki tayi maza maza ki gyara ɗakin nan ki gyara shan huɗa kuma hallau ga ƙawata nan ta he. To mama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainab kun iso? Mm, gani nan dai kin gani. Barka da isowa. Barka ka dai barka. Kai kai masha Allah zo zo zauna. Balkisa. Na'am mama. Zo ki kawo mama maki ruwa. To mama. Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustapha kin nan da ta rasu? To iyarta ce. Ah, ah to Balkisa. Kirawo mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. Ah, suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ake. yarana to ni suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta habiba mi nake ji hakan ga ina gane kenan baki kula da yarinya na wadda kike kula da yaranki wace ce ita to Yomi kike tsammani, kin aza ina ganin ta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm, Allah ya raba gawa da dariya. Kin ji ki, wai Allah ya raba gawa da dariya. Haba, ita ma fa iya kice. Ke ke ke tsaya, gyara zancen ki. Iyar kishiyata wai dan mata rasu ha to na ji amma wannan bai baki in can ki kuntata mata hakan ga wallahi ki ji tsoron Allah da ya halicce ki kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai ha baki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan ai karama ga ta shekara goma sha biyu kisan san da ita kaɗai ba ta yin wanga aiki duka ke ta saba haba habiba yarinyar nan fa kake manta maraini ya ce Zainab tsayan tambaye ki. Wai saboda wannan kika zo? A'a a a'a amma diba da Allah lokacin da ake nan gai. Dare fa yayi nisa, ha? Kake mance fa mu musulmi ne. In ka kula da wanda baka ma sani ba, ga irin dadin da kake ji da irin ladar da zaka samu, musamman ma an ce dan mijinki, ha? kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai gida na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna duk abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar ne. kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba ɗari 222 da biyu ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yara na za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. ya kamata ki saki hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala ya kamata ki saki hali tun lokaci bai kore miki ba baki bata kula baki gwada mata soyayya Allah dai san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga zaki mutu kina bi cikin wahala wallahi bata taimaka miki ko ko ta cuta ma kanta da kanta kuma ke gan duk wannan laihinki ne na kuma ya kare Balkisa. Na'am mama. Zo iyata, ta ki ci abinci kin shi ko kuma ki je ki kwanta. Ki yahe mini kin ji iyata? Na yahe muku, na gode mama. ai ba ga komi ba ina jiran babanta ya taho ni da kaina zan mishi magana don ya samu ya bude miki kan nan naki da eh Zainab babanta bai san ba miki faruwa cikin gidan gafa dan Allah ruha mini asiri kar ki bata mun gida kin san ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi to Allah dai ya kara haskaka mana komai amin to ni zan je in dan huta na gaji hanyar nan ta tsawo je ki huta ni ma zan je in kwanta Ok, tu vois, c'est toujours bon de réécouter les lotis et beaucoup d'enfants sont victimes de cette maltraitance et souvent euh, Gobo Negi Karda, comme on vient de le décrire dans ce loti réalisé par Rekia Arimi en compagnie de toi et moi. Aujourd'hui, dans la rubrique culture linguistique, Alamine Ouachara nous explique les contours du mot en anglais wish qui signifie veut ». À toi, Alamine. Bonjour. Bonjour, Samira. Bonjour, Kaya. Bonjour, Aujourd'hui, les mots du jour, c'est I wish, en anglais qui veut dire je te souhaite en français. Vous l'avez donc compris, nous allons parler du mot souhait. Lever ou souhait est une aspiration envers quelque chose qu'on n'a pas. Il faut noter que, à chaque fin d'année, on souhaite lever à ses amis, à ses connaissances, à ses collègues et à son entourage. Mm-hmm on peut souhaiter aussi à ces jours saints de vendredi bonne prière à tous les musulmans mhm. ou à tous ceux qui s'apprêtent à les prier. D'atma mana ne wish. Mana ne tila ma kostutna anglais. At siddiri na yewidanart. Dastegala fiat narat. Ma kostut euh, hanem. ديران نرت وري لوي دنموس استغرام وين ديران وا يسوكا النيت ناس تي تيدرنا ويدن الخير دغواتي المثال أكين وطيقا أويدن سادرانيا أدي قلواتي وا أواتين الخير ياس أواتين الصحة المثال أواتي دغ ذكر الرزق أواتي فلا ذكرنا المسالتين شينها ده غادي ayginna laafiyat yawedan iddiiranyas arat inte soka ay wish dhaqaangale daqadi ama kusut hane tafragat tasidiirina yawedanak akaya hoosan adii gurutan fiya daqawate waybasan المثال أواتي كل موتا يبزيا انتيا أدي سديرنا ويدين يتي وين تغري غليني ما دي وين ديرنا مشخد مدي ويندري للعلاقة تاعت قل تولاغا دا سن يسديرين الخير دغواتي ودي يسديرين سنة دقروا النغس زغنغس سنة دقروا نغس السيخات اقروا نغسارة كول وين تنزم فينا يسديرين سنة غين اتنوا كسن با باوي واتي ودي فلاس مش ناس واتي وا ويموتا مدي ويزقرن ادي إنا نغسل مسالتين قوتنين من تسنكا فقوتنين دغا دي واتي وينين يهورا لي سديرنا كنيا نغنا يميدينا الخير يسدير ناس تتند ما ندغ الشغل يسدير ناس تتند ما ندغ نغيمان نت غريز دل أمتنا دار تنقول وين قنينين الفيدتين شينا هنا واتي ودي مديش ندردوز اس واتي ودي يسدير ناس داغين أتو غزن دغ وبا تنقول وين هنان الوق دغا واتي وين ندي Radi Samira, Mais j'ai une question à la mine. Et est-ce que I wish, euh, le mot veut peut changer de signification dans une phrase, euh, dans deux ou trois phrases en tamashek? na kane dat majaka euh, i wish sirat nas dera ngasemos At mm. at dirina e wedan aratiyen marita ga elafiet. Te fraga tanay wedan weden elafiet ya er ilan ke wadan karat tamru misal. Mm-hmm. تفراقتنا ويدن ألافيت أستنا توفات دا غادي تيفو تينا ويدن دي تجي غاس لافيت دانينت مدي أديرينا ودن تنا غاس ألافيت نسيقرا صحتنا يزي دا تورنا تتوت القزا دا غادي شيلاتنا صفة تنشندا انت نتي غاس نكني دغنا عمال آه، تفرت تنويش ودغ تتعمل دغنقلي مران تامنو دا كافر ديران سواه dagadi aratawa ilan المغني الصعد فلا سزلا دو يدون كولو زو تنكرا تنت سيدار نغاس الخير سيدار نغاس تتند من دغ الشغنت سيدار نغاس تان تطور نزلف سيدار نغاس تزلف aratawa يهوسين مما تنروكي <laughs> Et eh, Alamine, comment on dit je te souhaite euh, une excellente journée en Tamashek? Sidar Nagam Izeli Hossein Wenneziled. Oh, on te souhaite la même chose. <laughs> voilà, chers auditeurs, auditrices, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Jarma, en Tamashek et en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. À présent, <clears throat> excusez, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Usman mai bisa birnin Kwani. Lalle muna sauraron Stiro Kalango ka gane wanda kuke yi. Saboda mu dai gaskiya shina ƙayar ta mu saboda mi duk da gidajen mu muke zamane da mu da iyalin mu. Muna sauraron ku kuma Ubangiji Allah kuma Allah ya kama muku saboda jan kokarin da kuke yi a gyara ma talakawa rai. Saƙo wanda a gare mu zuwa a gare ku na wannan sabuwar shekara Stiro Kalangu muna fatan Allah ya ɗaga muku ƙarfin gwiwa bisa ga wannan kokari da kuka yi mana saboda mukan kanmu cikin duhu muke wani lokaci ya kama na sallah wani abu duk cikin rediyo ne muke ji a ce yau rana kaza yau watan kaza yau ake kaza Allah ya sa muke fa'inta wasu ababe to shi yasa muke murna muke horin ciki da wannan ci gaba da Allah ka muna kasan mu ta kwanni ni sako na wanda a gare mu na zaman lahiya abinda muke fata don Allah duka mu 'yan Nijar mu taru mu haɗa kai wuri guda mu san uwa ɗaya uba ɗaya muke ka san da duk abin da ya samu wani ɗan Nijar to ka hata mu kai ya same ka to shi muka hatan don Allah gaba ɗaya mu ɗan Nijar ga wanda ya gane babu zancen wani kaza wancan kabila kaza ko wani kaza mu abin da mun ka ɗoka mu Nijar tun wanda an ka taso farkon baya ya kamata na yanzu su gane mu maido wancan abu irin na kakakin nan mu na uwa ɗaya uba ɗaya Allah ba mu zaman lahiya Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, fidèles auditeurs, j'espère que vous avez aimé les beaux moments passés ensemble. C'est ici qu'on va prendre congé de vous sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rukai Top Draman et Samira Rouafi. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Il est temps, il est l'heure, on tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.